le forum du studio le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou le forum du studio Kalamkou Chers auditeurs, euh, bonsoir. Il est 18h euh, passé de 15 minutes à Niamey. Si vous nous rejoignez, vous êtes à l'écoute du forum de studio Kalangu à la présentation Reilet Toussoumana. Les programmes du studio Kalangu sont diffusés en direct sur les 34 radios partenaires à travers le Niger et ceux du lundi au vendredi de 17h à 19h et les week-ends de 17h15 à 18h15. Le forum du studio Kalangu est un espace d'échange avec des invités dans le respect mutuel. Aujourd'hui, nous traiterons de la rage, conséquence de morsures animales. La rage est présente sur tous les continents à l'exception de l'Antarctique. Selon l'Organisation mondiale de la santé, elle tue environ 60 000 personnes par an dans le monde, dont une grande majorité étant des enfants mordus par des chiens contaminés. Ici au Niger, on enregistre aussi une recrudescence des attaques de chiens potentiellement exposés au virus de la rage. Pour parler de cette maladie et faire l'état des lieux ici à Niamey et à Maradi, Aujourd'hui, nous avons fait appel à des spécialistes du domaine de la santé animale et de la santé publique. Il s'agit de Dr Morou, médecin vétérinaire spécialiste de la rage au laboratoire central de l'élevage au compte du ministère de l'élevage. Bonsoir docteur. Bonsoir et Dr Gado Mamadou, spécialiste des maladies infectieuses, responsable du pavillon Raymond Madras à l'hôpital national de Niamey. Bonsoir docteur. Bonsoir madame. Merci cher invité de nous avoir honorés de votre présence. Bonsoir à tous. Euh, je le disais tantôt, la rage est une maladie très contagieuse qui frappe de nombreuses espèces animales dont la transmission à l'homme se fait le plus souvent par des morsures canines. Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS, des millions de personnes sont exposées chaque année dont 15 millions de personnes reçoivent un traitement antirabique après exposition, après contact avec un animal suspect. Ici au Niger, notamment à Niamey, plusieurs cas de morsures canine ont été déclarés au service de l'élevage selon la directrice régionale de l'élevage. Docteur Morou, dites-nous qu'est-ce que la maladie de la rage et surtout quels sont les animaux qui peuvent transmettre la maladie La maladie de la rage euh, est une maladie infectieuse. Elle est due à un virus et elle est connue des belles lurettes depuis le temps de Pasteur la maladie eh, existe un peu partout dans le monde, comme vous l'avez bien mentionné dans l'introduction, mais en majorité, elle frappe essentiellement eh, deux continents, le continent asiatique et le continent africain. Et quand on rapporte ça à la population humaine, et donc c'est le continent africain qui est le plus frappé. Et du point de vue de l'épidémiologie de la rage, la rage, elle, elle est transmise également, surtout par les chiens, pour ce qui est de la rage euh, canine. Mais le réservoir lui-même, il se trouve ailleurs, il se trouve chez les animaux sauvages, le carnivore sauvage, notamment le chacal, le renard et la chauve-souris. Donc ils ont cette maladie euh, dans le corps, sont porteurs Ils sont des porteurs, mais la chauve-souris semble être le vrai réservoir. Les autres animaux ne sont que des porteurs, la preuve qu'eux-mêmes ils en souffrent. Il y a les chiens qui sont enragés et les chacals également. Il en est de même pour les renards et les autres mammifères, la vache, les moutons, les chèvres, ils font aussi la rage. Bref, tous les animaux à chaud tous les mammifères à chanceau font la rage. Et comment se fait la contamination La contamination, essentiellement, la rage se fait par les morsures. Néanmoins, il y a d'autres voies de transmission. Il y a les griffures, les léchages. Il y a d'autres voies encore qui sont rares, mais qui sont transmises notamment par inhalation. Les premiers cas de rage ont été notifiés chez certains archéologues qui visitaient des grottes et ces grottes-là étaient habitées pas des chauves-souris. Donc l'environnement était saturé de sécrétions, excrétions, n'est-ce pas, de ces chauves-souris. Et en conséquence, en inhalant, n'est-ce pas, l'air qui s'y trouve, se trouve de particules virales qu'on pourrait inspirer et qui pouvaient être à la source de la maladie. Mais c'est des cas anecdotiques. Merci, docteur Morou. Docteur Gado, je me retourne vers vous. Quelle est la conduite à tenir en cas de morsure, de griffure ou de léchage d'animaux et à la rage. Merci madame. Donc euh, à la suite du docteur Mourou, je voudrais ajouter que la contamination peut se faire aussi par euh, greffe du tissu issu d'un malade enragé en incubation. Donc c'est aussi une voie de, transmission. Donc euh, une fois mordu, concrètement, qu'est-ce que nous faisons si nous sommes en face d'un malade qui vient à l'hôpital, qui a été victime d'une morsure de chien par exemple. En fait, c'est l'animal le plus grand transmetteur euh, au Niger. Et ma première question est de savoir, est-ce un chien domicilié ou un chien errant Donc voilà ma première question que je pose euh, à la victime ou bien à ses accompagnants. Si le chien est dans une maison qui est connue, il a un propriétaire connu avec une adresse, c'est de prendre le chien et de l'amener au service veto c'est eux qui doivent dire est-ce un chien enragé ou pas. Si malheureusement c'est un chien errant qu'on n'a pas pu retrouver d'office, donc vous me traitez en excès que ne pas traiter, puisque une fois encore de plus, peut-être c'est ce que nous devons dire, une fois la rage déclarée, elle est mortelle chez l'être humain. C'est quoi le traitement en excès dont vous parlez C'est une vaccinothérapie que nous allons faire. Le vaccin antirabique que nous allons faire, Puisque le chien est errant, on ne l'a pas retrouvé, donc nous considérons que c'est un chien enragé et nous commençons cette vaccinothérapie. Si c'est un chien qui est connu dans une maison, soit nous cherchons à voir son carnet de vaccination pour s'assurer de son état vaccinal. S'il n'est pas vacciné, on le met en observation chez les vétérinaires et à eux de nous fournir un papier nous disant si le chien n'est pas enragé ou le chien est enragé. Et selon leur réponse, notre conduite à tenir diffère. D'accord. Et donc, euh, avec euh, les vaccins, la personne euh, guérit en combien de temps En fait, on fait une vaccination, mais à visée thérapeutique. D'accord Il y a un calendrier qu'on doit instaurer. Il y a deux protocoles essentiellement. Le protocole Essen avec 6 doses et le protocole Zagreb avec 4 doses. Donc, chacun des deux protocoles a son bénéfice et son point faible. Mais préférentiellement, moi, je pratique dans le service euh, le protocole ASEN e à base de 6 doses. Donc il faut 6 piqûres 6, piqûres à des dates bien précises que nous allons vous préciser. Par exemple, à J0, J0, ça va être le, premier jour. Non, le premier jour du premier vaccin. Ah, d'accord. D'accord Puisque c'est une maladie qui a une incubation longue. Donc, mm-hmm. on va profiter de cette incubation longue pour faire cette vaccination et donner une immunité à la victime. D'accord J0, J3, J7, J14, J28 et éventuellement J90. J, ça veut dire jour. Mhm. Donc, c'est étalé sur trois mois. À peu près. D'accord. Merci, docteur Gado, docteur euh, Morou. Euh, quelle est la partie euh, où l'on observe les plus les morsures des, des animaux Au Niger, au niveau du laboratoire central de l'élevage, et nous avons cette capacité eh, de procéder à l'analyse des échantillons et de prélèvements. Donc nous avons eh, une exactitude eh, par rapport à la situation épidémiologique de la rage au Niger. Mais auparavant, nous aurions voulu vous dire que la rage est la seule maladie au monde qui a un taux de létalité de 100%. C'est-à-dire, une fois que l'individu manifeste les signes cliniques, il est irrécupérable. Dans le monde, il n'y a jamais eu un cas qui puisse être sauvé. L'autre élément qui est très important du point de vue épidémiologique, c'est les enfants en âge scolaire, donc du primaire, qui sont les plus exposés. Et comme vous l'avez dit, la rage tue par an plus de 70 000 personnes. C'est une catastrophe. Qu'on continue à enregistrer autant de morts et pourtant un vaccin existe. C'est cela le paradoxe. Pour ceux qui est du Niger, nous avons constaté quand nous avons cartographié les cas de rage, les cas sont enregistrés essentiellement à Niamey, la région de Dosso et de Tawa. Et cela est lié à un certain nombre de raisons. Quand vous prenez la région de Niamey, pour des questions de sécurité, souvent les pauvres, ils louent cette sécurité en ayant chez soi un chien. Or, ce chiens souvent, parce qu'ils n'ont pas les moyens il ne les vaccine pas. Et ce chien se tourne être maintenant un problème chez eux. Il peut mordre le père comme l'enfant. Pas sous les dépôts droits, là-bas, il rentre en contact avec leurs collègues et finalement, eh, nous avons des épidémies de rage. Est-ce que la cartographie dont vous avez parlé reflète euh, la réalité Parce que probablement, il y a certains cas de morsures qui ne sont pas déclarés. Oui, effectivement, c'est l'un des problèmes. Très souvent, et les gens ne s'aperçoivent pas du danger de la rage. Et comme les gens ignorent ce que c'est la rage, et souvent il y a des cas qui ne sont pas déclarés, et d'une part. Et d'autre part, comme ça cause une déformation de la personnalité n'est-ce pas Les gens souvent disent que le gars il souffre d'une maladie, d'une folie, alors que ça pourrait être la rage. Et par ailleurs, je bondis sur le fait que la maladie souvent, elle a une incubation très longue, ce qui fait qu'on ne peut pas faire souvent des liaisons entre la morsure et le moment de l'apparition des symptômes. C'est la prochaine question. Ça prend à peu près combien de temps Le temps d'incubation, ça dépend. Il y a deux ou trois critères qui rentrent en jeu il y a d'abord le point de morsure. Lorsque vous êtes mordu au niveau du cou très rapidement, le virus, comme c'est un virus neurotropique, c'est-à-dire qu'il voyage à travers les nerfs, immédiatement il part au cerveau. Donc ça, c'est une histoire de 48 heures, 72 heures. Le virus se déplace et puis, bon, vous développez les signes cliniques que vous en mourrez. Maintenant, si vous êtes euh, mordu au niveau du pied, tout naturellement, ça prendrait du temps pour arriver au niveau du cerveau. Il y a d'autres conditions que les gens se citent. Il y a différents types de morsures et les conditions de morsure. Par exemple, quand vous avez une écorchure, n'est pas la même dimension que quand les muscles sont déchirés. Il y a le derme, l'épiderme et même le tissu musculaire qui est déchiré. Donc la probabilité, la vitesse de propagation du virus est différente. D'accord. Hum. Merci, docteur Morou. Docteur Gado, à vous, euh, est-ce que cela veut dire qu'une personne euh, qui a été mordue par un chien enragé pourrait éventuellement contaminer son entourage Effectivement, si au stade de rage déclaré, donc euh, au moment où la personne est malade, elle donne les signes cardinaux de la rage, cette personne a une hypersalivation et cette personne aussi, une fois qu'elle mord quelqu'un, elle peut transmettre la rage. C'est pourquoi, quand nous disons que la rage déclarée, elle est mortelle, elle est tout à fait mortelle, tout ce que nous faisons, c'est l'accompagnement du patient dans des conditions de vie d'honneur pour qu'il euh, ne puisse pas euh, finir sa vie dans des conditions déplorables. Parce que les deux principaux signes, à part les troubles euh, psychiatriques et les troubles comportementaux, c'est l'aérophobie. Le malade ne supporte pas les courants d'air. Le mhm. simple ventil qui est au plafond déclenche ces crises de spastiques. Mhm. Le deuxième euh, signe cardinal, c'est l'hydrophobie. C'est la peur de l'eau. Ce malade, il ne veut ni voir l'eau, ni entendre couler l'eau, à plus forte raison, boire. Donc, vous voyez quelqu'un qui ne boit pas de l'eau des jours et des jours, il va se déshydrater, il va perdre ses électrolytes. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait on arrive, on utilise des, sédatifs, le calmer un peu et faire passer des solutés, notamment le ringer lactate, qui est de l'eau contenant du glucose et des, électrolytes. Mais malgré tout, la mort va survenir dans les jours qui suivent. Le malade va rentrer dans le coma et il aura un arrêt cardio-respiratoire qui va l'emporter. Paraît-il que quelqu'un qui a la rage, qui est déclaré, il aboie comme un chien Quelques cas ont été décrits et moi personnellement, au moment où nous étions étudiants, nous avons pu voir dans le même service de maladies infectieuses un cas similaire, un petit enfant de 7 ans qui aboyait presque un chien. Merci, docteur Gado. Docteur euh, Morou, à vous, vous êtes euh, médecin vétérinaire. Quant aux bétails euh, qui sont victimes de morsures d'animaux enragés, les vaches, les moutons et autres, est-ce que, en consommant la viande, on peut attraper cette maladie? Bon, avant de, parler de cette question, j'étais sur l'épidémiologie de la rage du point de vue spatial. Mhm. J'ai énoncé que la région de Niamey, celle de Dosso et Tawa étant considérées comme l'axe de la rage. Et néanmoins, ces derniers temps, il y a une réurgence de cas de rage canine dans la région de Difa. Hmm. Et probablement cela serait lié au conflit qui était en cours. Et soit euh, les propriétaires des chiens se sont déplacés, ou bien ils ont été tués dans le conflit. Et donc ces chiens-là, ils deviennent orphelins. Mm-hmm. Et en conséquence, n'est-ce pas, ils retournent dans leur vie sauvage et puis ils s'attaquent aux animaux et voient les humains. Donc, euh, pendant longtemps, ces zones étaient sous silence, mais nous avons constaté cette nette une recrudescence. Pour ce qui est des animaux exposés, donc mordus, pour ce qui est les bovins, les ovins, les caprins, il est dit que quand ils sont mordus, dans les premiers jours, on peut abattre l'animal et le consommer. Cependant, après quelques jours, il n'est pas souhaitable de consommer la viande. Mais le propriétaire pourrait ne pas savoir que son animal a été mordu. Effectivement, il pouvait ne pas savoir. Ah, ça m'étonnerait. Un bon éleveur, il doit connaître le statut sanitaire de son animal, n'est-ce pas Parce qu'on parle de morsure, on ne parle pas de léchage. Mm. Donc c'est une plaie béante. Mais pour question de prudence et par rapport aux questions de risque et il est souhaitable de ne pas en manger. Mhm. que si l'animal incube le virus, le virus est un neurotropique et en découpant la viande, vous pouvez vous couper et vous faire transférer le virus. Là, se faire couper, c'est à peu près imiter, n'est-ce pas, la dent du chien. Donc, dans tous les cas, il y a une compromission de la continuité de la peau, donc il y a un risque de transmission. C'est le premier élément. Le second élément, l'animal qui a été mordu pouvait être un animal qui est lactant, c'est-à-dire qui produit du lait, une vache laitière qui a mhm. été mordue mhm. et qui par la suite, en constante, qui change de comportement, il elle devient agressive et que enfin, cet animal, il est probable que le lait puisse contenir le matériel viral. Et il est prouvé scientifiquement que la salive peut contenir le virus, les larmes peuvent contenir. Donc, au nom du parallélisme de forme et de fonction, il est établi que la glande mammaire, à travers sa sécrétion qu'elle est, pourrait aussi, n'est-ce pas, contenir le virus et en consommant, on pouvait en être exposé. Il y a eu un cas aux États-Unis, et je crois c'est en Atlanta, où une vache qui produisait les, les gens consommer. Et on s'était rendu compte que cette vache, après, était enragée. Et donc, la prudence, en termes de risque, on a vacciné la population, n'est-ce pas, que de prendre le risque à ne pas vacciner. Donc, c'est un excès, n'est-ce pas, de précaution, comme l'a dit, mon collègue médecin D'accord. Ah. Merci, docteur Morou. Docteur euh, Gado, ici à l'hôpital national de Niamey, est-ce que ces derniers temps, vous enregistrez des, cas de morsure euh, de chiens Ça, c'est presque tous les jours. Cette semaine même, j'en ai reçu trois. Les trois, c'est des chiens, heureusement pour nous, c'est des chiens qui ont une adresse fixe. Et les trois, on a pu me fournir des carnets de vaccination. Donc la prise en charge a juste consisté à la prise en charge de la plaie, et là, peut-être que je ferai un clin d'œil aux praticiens. C'est des plaies qu'il ne faut jamais suturer. Et éviter même de faire un pansement occlusif. Il faut juste laver à l'eau savonneuse et appliquer un antiseptique. Plus maintenant, la prophylaxie antitétanique et puis on va prescrire un antalgique ou un anti-inflammatoire, voire un antibiotique, selon que on pense si la plaie est souillée ou pas par euh, les débris de terre ou autre chose. Donc vraiment, c'est des plaies qui sont particulières, il faut pas se hasarder à les suturer. Quelle que soit la gravité de la délabration, il faut pas les suturer. Parce que quand on les suture, on, on fait les conditions de pullulation ça accélère. bien sûr, du mm. virus. Donc, est-ce que si je vous demandais un chiffre euh, annuel euh, sur ces morsures-là, est-ce que vous en avez Bon, sincèrement, je n'ai pas ça en tête actuellement, mais il faut se dire que par mois, moyen, moyenne, nous avons 5 cas de morsures, en moyenne. Mm. Bon, très souvent, vous savez, nous sommes dans une grande ville, souvent on passe au commissariat, on fait de, la zizanie et tout, et on vient nous voir comme si nous, on va dire que non, d'aller attraper celui qui a le chien et le mettre en prison. Bon, c'est pas mon <laughs> job à moi. Mon job à moi, c'est de prendre en charge le patient et tout faire pour qu'il ne développe pas la rage, parce que quand il va la développer, je ne pourrai rien faire. Est-ce que parmi ces cas, vous en avez eu des déclarés, des cas euh, déclarés de rage Des cas déclarés de rage, euh, on va aller dans l'anonymat. Mhm. En fait, c'est un cas que j'ai reçu, c'est un monsieur qui s'est fait mort au cours d'une mission. Il a fait juste une seule dose de vaccin et il a arrêté. Je l'ai vu un vendredi dans le service. Dès qu'il est venu, il avait des troubles de comportement et il avait le signe de l'hydrophobie. Et je me rappelle, j'étais en visite avec les étudiants et je leur ai dit, bon voilà, c'est l'occasion pour vous peut-être de voir un cas de rage. Bon, sans pour être un prophète, je leur ai dit que bon, ce monsieur, ça va être difficile qu'on le retrouve lundi, quoi. Et effectivement, il est décédé durant le week-end. C'est dans le cas de son travail qu'il a été mordu par ce chien. Donc actuellement, c'est un problème d'accident Du travail. Donc j'ai aidé la famille en fournissant les cas médicaux nécessaires pour pouvoir euh, être indemnisé et tout. Dans quelles autres circonstances euh, les vaccins contre la rage sont conseillés Les vaccins de la rage sont conseillés principalement pour les professions à risque. Telles que... que nous autres qui pouvons être en contact avec les malades qui ont la rage. Docteur Mourou, <laughs> tous les vétérinaires doivent être normalement vaccinés. Les éleveurs doivent être vaccinés en tout cas, tous les métiers qui peuvent être en contact avec les animaux. Même au niveau, par exemple, des forces de défense et de sécurité, les maîtres chiens, par exemple, dans les pays où la police utilise les chiens, c'est des gens que non seulement les chiens doivent être vaccinés, mais eux aussi doivent être vaccinés. Maintenant, en cas de voyage dans des régions où la prévalence ou bien il y a une épidémie, par exemple, euh, un Européen qui vient en Afrique ou bien en Asie, il doit se faire vacciner. Merci, docteur Gado. Donc, euh, docteur euh, Morou, à vous. Donc, euh, une fois que vous avez euh, l'animal mordeur, euh, qu'est-ce que vous allez en faire L'animal mordeur, très souvent, en particulier chez les chiens, nous le mettons en observation. Après avoir identifié l'animal, est-ce que c'est un animal qui a un propriétaire C'est un animal errant, semi-errant Après que l'animal ait été identifié, nous nous préoccupons également de son statut vaccinal. Est-ce que cet animal a un carnet de vaccination Est-ce que eh, le carnet de vaccination est à jour Est-ce que c'est une morsure euh, provoquée C'est-à-dire vous vous êtes rendu dans la cour dont lui, il a la charge de protéger, donc vous l'avez provoqué. Est-ce que c'est une morsure accidentelle Vous êtes le propriétaire du chien, vous jouez avec le chien, il y a une écorchure. Ça, c'est eh, une morsure euh, accidentelle. Ou bien c'est une morsure involontaire où vous partez comme ça, l'animal vous suit, il vient, il vous mord. Donc en fonction des conditions de la morsure, nous, nous pouvions déjà essayer de voir est-ce que effectivement ce chien-là est en incubation ou est enragé. Mm-hmm. Néanmoins, malgré tous ces critères, nous le mettons en observation pendant deux semaines. S'il est vrai que l'animal est enragé, il doit mourir avant les deux semaines. Et là, nous écrivons aux médecins, dire que le chien suspect qui a mordu un tel est vraiment enragé. Mm-hmm. Nous avons la capacité de faire le texte de diagnostic. Donc nous faisons du prélèvement au niveau du cerveau du chien au niveau de la salive. Nous faisons la PCR avec le cerveau, nous faisons ce qu'on appelle eh, le test d'immunofluorescence ou le test de CELA pour essayer d'identifier les corpuscules du virus que nous appelons les corps de négri. Pas de ce moment, nous avons un diagnostic de confirmation que, au-delà de notre suspicion et de l'observation, mais nous avons un élément scientifique qui nous prouve plus que jamais que cet animal est enragé. Nous procédons à cela. D'accord. Hmm. Merci, euh, docteur. Récemment, des cas de morsures de chiens ont été enregistrés dans un établissement au quartier Lazare dans l'arrondissement communal 2, mais jusque-là, rien n'a été fait par les autorités pour sécuriser les lieux. À ce propos, je vous propose de suivre les propos du directeur communal de l'élevage de la commune 2, Ibrahim Seydou. Il y a des chiens errants qui sont en train de mordre les élèves au sein des établissements. Donc, suite à ça, ils ont adressé une lettre administrative au niveau de la mairie. Autrement, le maire m'a saisi comme quoi, au niveau de la commune de Yaminas, des chiens errants. Pour ce qui est de notre devoir, nous avons rédigé un TDR et j'ai soumis ça au maire. Donc le maire aussi l'a transmis à qui de droit. Il n'y a pas eu de suite. Nous attendons encore. Il n'y a pas eu d'intervention technique sur le terrain. Selon vous, pourquoi ça traîne encore Est-ce que c'est les fonds qui manquent ou les vaccins pour le moment, ce que je peux dire au niveau de la commune 2, qu'ils n'ont pas de moyens pour faire une intervention large dans toute la commune. Donc, nous avons dit d'attendre. Quand il y aura rentré des ressources, maintenant, ils vont décaisser ça. Ça veut dire que jusqu'à ce qu'on décaisse, les élèves là vont continuer à courir euh, des dangers En tout cas, présentement, ils courent des risques. Présentement. Tant que ce n'est pas l'abattage des chiens, aucune alternative. Voilà, docteur Gado, vous êtes spécialiste des maladies infectieuses. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport euh, à ce qu'il vient de dire et que rien n'a été fait pour sécuriser les lieux où se trouvent les chiens errants Donc, euh, face à ce problème, et comme a eu à le dire le directeur régional euh, de l'élevage, c'est essentiellement faire l'abattage des chiens errants. Mais la question qui va se poser, à mon sens, et quelle méthode adopter parce que nous étions un peu plus jeunes, on se rappelait que on utilisait de la viande empoisonnée pour euh, neutraliser les chiens errants, ce qui n'est pas sans conséquence parce que euh, un morceau de viande peut échapper et tomber dans d'autres mains, donc on ne sait pas quelle sera l'utilisation. Mais ce qui est sûr aussi, il faut sécuriser les écoles ne serait-ce que par un mur d'enceinte. Je ne connais pas l'école en question, donc euh, il faut au moins sécuriser les, écoles et puis faire euh, procéder à l'abattage des chiens. Et il y a un site euh, Promed où on m'envoie un article des cas de rage dans une ville, dans un pays voisin, notamment l'Algérie. Et eux, là-bas, c'est carrément l'abattage par arme à feu. C'est sur ça qu'ils se basent pour faire l'abattage des chiens. Maintenant, je ne sais pas, dans son TDR, lui, le directeur, qu'est-ce qu'il a proposé aux autorités administratives. Mais de toutes les façons, les chiens errants doivent être abattus. Mais docteur Morou, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ce silence des collectivités qui doivent s'en charger c'est un problème, mais je vais aborder le problème sur un plan technique. Euh, ils ont parlé de l'abattage des chiens euh, errants. Je crois et de moins en moins cette option consistant à utiliser soit les armes à feu ou encore même le poison, la strychnine, qui est utilisée à l'époque, car il y a les associations des défenseurs des droits des animaux mhm. qui pensent que ce pas de méthode orthodoxe pour contrôler la population canine qui est accusé d'être responsable de la transmission de la maladie. Les maires plutôt devraient s'orienter vers le contrôle des déchets domestiques. Il y a chiens errants parce qu'il y a des dépotoirs où ils trouvent à manger. Si on mettait sous contrôle ces déchets domestiques, il n'y aurait pas de chiens errants parce qu'ils ne trouveraient pas de quoi manger, à fortiori survivre et être vecteur de la maladie. Ils allaient mourir de faim oui, vous avez bien compris. Et l'autre élément, c'est de réguler la possession du chien. Quand vous possédez un chien, c'est comme vous possédez un véhicule. Il vous faut une autorisation. Donc, vous avez des devoirs envers ce chien, le faire vacciner, le nourrir, etc., etc., etc. Ailleurs, le chien a un statut social. Il a un statut social, c'est un membre de la famille, il a une assurance, etc., etc. Vous ne pouvez pas dire que vous possédez un chien et que le chien, lui, s'acquitte de son devoir, celui de vous assurer la sécurité et que vous, en retour, n'est-ce pas, vous refusiez de le vacciner ou même de lui donner à manger. Vous le laissez débrouiller. Et en conséquence, le chien même n'est pas responsable de la situation, mais c'est plutôt le propriétaire. Donc, c'est déplacer le problème, dire abattre. Et on a vu des situations d'ailleurs où, quand on abat les chiens, ça accélère la situation. Parce que, comment ça se passe Du point de vue de l'écologie des chiens errants, quand vous avez par exemple 100 chiens, vous abattez les 60. Vous avez réduit de façon drastique la population, mais à un moment donné. Mm-hmm. Le restant, les 40 autres, alors trouveront suffisamment à manger, c'est-à-dire les femelles qui faisaient peut-être 7 euh, chiots par portée vont avoir peut-être 14 par portée et donc en si peu de temps, la population va se reconstituer. Donc l'option de l'abattage n'est pas une solution. Ça a été eh, tenté sous d'autres cieux et ça a été un échec. Je voudrais rebondir un peu. Et je pense qu'on ne va pas exclure totalement <laughs> l'abattage. On peut concilier les deux. <laughs> C'est-à-dire, dans un premier temps, faire l'abattage. Mhm. Et parce que ce dont parle docteur Mourou, c'est un problème de développement finalement. C'est un problème beaucoup plus qui est plus de dépotoir à Niamey. Mais il faut que le niveau des gens soit un peu plus élevé, mhm. que les Américains s'acquittent de faire euh, euh, dégager les, déchets, ainsi de suite. Donc, vous voyez, je trouve que ce qu'il dit, c'est juste, je suis tout à fait d'accord, mais c'est un processus peut-être À long terme. Mais à court terme, qu'est-ce qu'il faut faire tout de suite et maintenant C'est de commencer à l'abattage et puis maintenant <laughs> d'aller dans le sens du docteur Moore. bon, je veux complémenter ce que, j'ai dit. En fait, il y a plusieurs méthodes de contrôle de la population. Hormis la mise de contrôle, sous contrôle des déchets domestiques, on pourra instaurer un système, n'est-ce pas et, faire des, des chirurgies foraines où on va stériliser les femelles à travers des opérations d'hystérectomie ou d'ovariestrectomie. Pour les chiens errants ou les chiens domestiques Les chiens domestiques, euh, parce que souvent, il y a des chiens semi-errants. C'est ça le problème. Ils sont le jour, ils sont chez le propriétaire et le soir, ils sont. Euh, donc, c'est ça. Donc, il faut plutôt faire les opérations foraines euh, d'hystérectomie ou bien de une façon de contrôler la, la reproduction. Ça, c'est un autre élément. Le second élément, peut-être c'est une question de moyens. Il y a des appâts double fonction. C'est-à-dire que euh, on, donne les appâts aux chiens, Quand ils en consomment, ça contient certains hormones et ça les rend euh, stérile, euh, ou, ça, ça retarde le retour à la régulation. Quoi. D'accord. Ok, donc euh, à Maradi aussi, les services de la santé animale ont fait état dans plusieurs localités de la région des cas d'une maladie chez les chiens dont les manifestations seraient semblables à celles de la rage. Je vous propose de suivre Dr Mohamed Amadou Soumaila, le directeur régional de l'élevage. En fin janvier, nous avions enregistré un cas de rage confirmé au niveau du département de Tessawa. En 2017, nous avons enregistré plus de 8 cas avec euh, une vingtaine de personnes qui ont été victimes des morsures avec une mortalité humaine qui a été enregistrée au niveau d'Agué. Mais Dieu merci, là aussi, malgré vraiment la situation, l'État, à travers le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, a mis à notre disposition un stock important de doses vaccinales antirabiques et de l'autre côté, nous avons pris les dispositions quand même pour que au niveau des collectivités et nos services au niveau des concentrés pour que la sensibilisation soit de mise parce que il y a réellement la méconnaissance de la rage. Au niveau du département de Madaroufa, nous avons arrêté deux séries de morsures euh, d'êtres humains et d'animaux même par des chiens errants. Et à ce niveau, il faut le dire, on n'a pas pu confirmer si c'est des cas de rage, à l'absence des prélèvements qui devraient être faits afin d'arriver à la conclusion que c'est la rage ou pas. Voilà. Vous venez d'entendre Dr Mohamed Amadou Soumeila, le directeur régional de l'élevage de la région de Maradi. Docteur Morou, est-ce que selon vous, ces chiens souffraient de la rage A priori, quand un chien a un comportement hors norme, euh, on ne peut que suspecter la rage. Maintenant, il a dit qu'ils n'ont pas pu confirmer ça. Peut-être que c'est un chien errant. Comme c'est un chien errant, ils n'ont pas pu mettre la main là-dessus. Et en conséquence, ils n'ont pas pu diagnostiquer, confirmer ou infirmer la situation. Donc à partir de ce moment, il y a le doute qui plane. Mais eh comme c'est pas confirmé, bon, on ne peut pas dire que forcément c'est la rage. Mais a priori, on peut dire que c'est la rage. Parce qu'il y a une déformation du comportement. Un chien qui initialement est très aimable, n'est-ce pas, très social, se trouve être agressif et mord sur tout ce qui bouge. À partir de ce moment, il y a une forte suspicion euh, que, ce euh, que ça soit la rage. D'accord. Donc, euh, docteur Gado, euh, par rapport euh, au vaccin anti est-ce que ici à Niamey, au Niger en général, est-ce qu'on peut trouver ces produits au niveau des pharmacies Bon, en fait, comme l'a dit précédemment docteur Mourou, c'est ça le grand paradoxe. C'est une maladie qui généralement, les morsures intéressent principalement les, les couches sociales les plus défavorisées. Et voilà un vaccin, je, veux arrondir, hein, que la dose tourne autour de 10 000 francs CFA. Donc 10 000 francs CFA, si vous faites le, protocole SN, vous partez à 60 000 uniquement pour le vaccin antirabique, sans oublier les autres euh, médicaments pour la prise en charge de la plaie. Mm-hmm. Donc, euh, vous voyez, c'est un coût parce que on va arrondir, hein. on va dire qu'à peu près une morsure suspecté fortement de rage, va entraîner une dépense d'à peu près 80 000 francs chez la victime. C'est pas accessible à tout le monde. Bien sûr, 80 000 francs, c'est pas facile. Mais heureusement, en fait, le vaccin existe. Il est en vente au niveau des officines. Donc, on peut s'en procurer un moment, il y avait une, une certaine quantité à l'hôpital national de Niamey que nous utilisons et de temps en temps aussi, nous faisons appel à cette pharmacie centrale de l'hôpital national de Niamey, voir si, selon la disponibilité, ils nous en donnent. Mais le plus clair, le plus euh, clair des temps, c'est que c'est le patient qui, qui achète le médicament, peut-être des fois le propriétaire du chien, si on arrive à le trouver, ce qui amène souvent des contentieux entre la victime et puis le propriétaire du chien. Pour un cas social, euh, par exemple, euh, l'hôpital ne prend pas en charge euh, la victime Effectivement, selon que l'hôpital en dispose, il nous en donne. Mais s'il n'y en a pas, on est obligé de dire aux parents de, de, de, de la victime, voire au propriétaire du chien, vraiment d'honorer l'ordonnance. D'accord. Donc, docteur Morou, euh, ici, euh, pour laisser les chiens et les chats, euh, on constate que dans certains arbres, il y a des chauves-souris mhm. qui, qui habitent. Selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour s'en débarrasser Parce que si vous dites qu'ils sont les porteurs originels de la rage. Oui, les chauves-souris sont considérés comme étant le réservoir de la mhm. rage. Il y a ce que nous appelons les chauves-souris qui sont insectivores. Et il y a les chauves-souris eh, qui sont des hématophages. Donc euh, eux, ils s'attaquent euh, même aux animaux. Il y a eu des cas, je crois, en Amérique latine où on a trouvé les, situations où les chauves-souris s'attaquaient aux gens. Et l'OMS avait recommandé à l'époque aux gens de dormir sous des moustiquaires quoi, pour ne pas en être exposés. Au Niger, nous avons les chauves-souris. Et au-delà des arbres, il faut se dire que souvent, pendant les vacances, quand les élèves ne sont pas là, il y a d'autres locataires, c'est les chauves-souris. Oui. En milieu rural. <laughs> Ça, j'en sais quelque chose. Donc, euh, ce n'est pas une histoire d'arbre. La, la, réalité est là, le risque est là. Maintenant, il faut l'évaluer et puis prendre les mesures. Les chauves-souris sont là maintenant, ils ne sont pas les premiers vecteurs qui transmettent la maladie. On a affaire au Niger à plutôt une rage canine qui mm. principalement est transmise par les chiens et parmi les chiens encore les chiens errants. Et donc en 2015, l'Organisation mondiale de la santé a établi un objectif mondial euh, consistant à porter à zéro le nombre de décès humains dus à la rage à transmission canine à l'horizon 2030. Il faut pour cela mener des campagnes de vaccination canine à grande échelle. Ici au Niger, à l'instar des autres pays du monde, célèbre la journée mondiale contre la rage le 28 septembre. Docteur Morou, à cette occasion, est-ce que vous aussi, vous faites partie de ces personnes qui organisent cette journée Malheureusement, je vais dire non. Je réponds par la négative. Très souvent, personnellement, moi, c'est à la télé que je vois cette journée en train d'être euh, célébrée. Et alors que paradoxalement, nous sommes le service de référence pour la prise en charge euh, des victimes ou bien même des, malades euh, atteints de rage. Donc peut-être que c'est l'occasion avec euh, <laughs> le grand frère le 28 septembre prochain que nous puissions être associés à cette célébration parce que vous savez actuellement nous partons dans, pour un concept de One Health, une seule santé. Une seule santé, donc santé animale, santé humaine, l'environnement, que nous soyons tous ensemble, parce que nous avons vu qu'actuellement, il y a des maladies, des épidémies qui sévissent et qui concernent à peu près ces trois secteurs. Donc c'est un appel que je lance à la prochaine célébration euh, de nous faire un clin d'œil. Nous y allons y participer volontiers. Voilà. Docteur Morou, qu'est-ce qui se passe cette euh, journée eh Oui, effectivement, comme vous l'avez dit, chaque année, la journée mondiale de la rage est organisée. Mais la rage, c'est une maladie qui est à la croisée de trois ministères, mhm. sinon au-delà. Il y a le ministère de l'élevage, il y a le ministère de l'environnement et le ministère de la santé. Le ministère de la santé aurait dû prendre le devant pour organiser ça. Et ce n'est pas le cas. On a vu certaines maladies qui sont à la croisée de ces trois ministères-là, comme la fièvre de la vallée de Rift. Mais selon vous, pourquoi le ministère de la Santé n'est pas associé C'est la question. Non, ah, c'est pas qu'ils ne sont pas associés. Hmm. Chaque année, nous, quand nous organisons, nous invitons ah. le ministère de la Santé. Et ils sont représentés. Hmm. Peut-être l'hôpital n'est pas représenté. Mais pourtant, c'est eux les, vrais concernés de la chose. Euh, non. Nous, nous sommes la source de la maladie. Oui, mais eux, ils... Euh, j'arrive. <laughs> <laughs> J'arrive. Euh, vous voyez bien, donc chaque année, à travers un TDR, d'ailleurs c'est sur le budget national, nous demandons un certain montant pour organiser la journée de la rage. Mhm. Et c'est essentiellement acheter des vaccins humains mhm. pour mettre au service de la santé pour qu'ils puissent prendre en charge les pauvres. C'est pour cela que j'ai dit c'est la maladie des trois pays. Mhm. Les pauvres des pays pauvres. Donc nous, nous avons le souci de prendre en charge les cas humains. C'est pour cela malgré que notre ministère est moins nanti que le leur, nous achetons des vaccins humains et nous mettions à leur disposition. Nous achetons également des vaccins animaux que nous mettons à la disposition de nos services déconcentrés. Et le jour-là, d'ailleurs, le vaccin est gratuit. Vous amenez votre chien, on le vaccine free of charge, gratuitement. Nous organisons des manifestations avec certaines troupes, des sketchs et tout ça pour essayer de sensibiliser la population. Et en concert avec les autres ministères. Donc nous ne faisons pas la lutte contre la rage, la nôtre seulement, mais on le fait en partenaire avec, les partenaires pertinents dans une perspective de One Health. D'accord. Merci. Donc, euh, avant de clore ce sujet, est-ce que, docteur Gado, vous avez quelque chose à ajouter, euh, une sensibilisation pour la population Mon mot de fin, en fait, c'est vraiment aux propriétaires de chiens que tout le monde n'a qu'à vacciner son chien pour se mettre à l'abri soi-même et sa famille et mettre ses voisins et toute la communauté à l'abri. Et le deuxième appel, c'est peut-être que devant tout cas de morsure, de léchage ou de griffure par un animal, vraiment c'est de consulter le service de santé le plus proche parce que, euh, une fois encore de plus, la rage déclarée est mortelle. Je vous remercie. Merci, docteur Gado, docteur Moro, vous. Mm-hmm. Un mot de fin, un conseil euh, Un conseil est que, compte tenu que la maladie est à la croisée de plusieurs ministères, le ministère de l'élevage, le ministère de la santé, le ministère de l'environnement et le ministère même des finances, puisqu'il faut les fonds, il faudrait que l'approche One Health, n'est-ce pas, fasse surface pour prendre en charge intégralement la maladie. L'autre élément, il n'y aurait pas de fonds si les parlementaires ne sont pas suffisamment sensibilisés. Ils ne voteraient pas un budget conséquent pour prendre la maladie en charge. Donc, une fois de plus, c'est la vie des pauvres qui est en danger et on doit les secourir. C'est un devoir de tous, de chacun. Je vous remercie. Merci, monsieur. Donc, euh, nous sommes euh, au terme de ce forum euh, pour discuter de la thématique. Nous étions avec docteur Morou, médecin vétérinaire spécialiste de la rage au laboratoire central de l'élevage au compte du ministère de l'élevage et Dr Gado Mamadou, spécialiste des maladies infectieuses, responsable du pavillon Raymond Madras à l'hôpital national de Niamey. Ce qu'il faut retenir de cette thématique, c'est que les morsures d'animaux Notamment, ceux des chiens constituent un problème de santé publique dans notre pays. Cependant, l'élimination des chiens errants potentiellement exposés au virus de la rage reste encore problématique à cause de l'indisponibilité de fonds dans les caisses des collectivités concernées. De ce fait, les pouvoirs et les organisations qui luttent dans ce sens en redoublant d'efforts pourraient résoudre ce problème de la rage au Niger. Le médecin conseille aussi aux propriétaires de chiens de faire vacciner leurs animaux. Merci, chers auditeurs. Nous sommes terme de ce forum. Prochain rendez-vous et une autre thématique à 18h15 demain.